parle au mot de Dieu la fin de la vie terrestre du défunt, mais rassurer aussi à travers une promesse, le début d'une ère nouvelle dans l'histoire de la famille. Bref, on s'en remettait à Dieu, le Tout-Puissant, le maître du temps et de l'histoire, de qui vient tout le confort. Euh, c'est un maison, hein. euh, François moo ko jur François Jooj moomu Malick Diboor moo ko jur Malick Diboor Njër Diboor moo ko jur hmm? euh, Malick Diboor Njër Diboor mooy jigéenam ñoo bokk ndey ak baay waaw moo jur jooj moomu mu jur Jean Meissa fii mooy ker Songo jóge ci ker gale nga xam ne moo sañ ci Mbalaxaat la dooreen Mbalaxaat au-delà de Malarat, de Ndiaganyao. Euh, les gens ne savent pas, mais il n'y a pas un seul village qui s'appelle Ndiaganyao. Ndiaganyao c'est un terroir. Vous entendez parler de la commune de Ndiaganyao, mais ça, c'est une dénomination qui ne tient pas en réalité. C'est historique, on a retenu, mais c'est en réalité un terroir. Parce que le village central, ou le village centre, qui abrite par exemple le siège administrations qu'il y a ici, c'est-à-dire la mairie, la gendarmerie. Mhm. Ce siège-là s'appelle Bot. S'appelle Bot. Bot. Bot. Oh. C'est le vrai nom du village. Mais n'existe pas. Pourquoi à l'entrée, vous voyez ce qui n'existe pas, c'est un terroir. Terroir. Voilà. Ça, se compose à peu près. Combien de villages À peu près 25 villages dans ce. Dans le vôtre Dans le, dans le nôtre, ici, là où nous ah, sommes. Balakhan. gis nga bi muy euh, genre bi muy dugg euh, primaire paa bi dafa ne woon dafa dafa paa bi dafa paa bi santeeroon ne kii daal warul woon sax dugg école ñu ne ko pour lan mu ne ko kii mu ne kii daal dama ko soxla pour pour pour ji nag yi. mu nekk kër bu sàmmi loolu la loolu la ko jagle woon de moo tax genre dafa xaw am un peu de sax bi bi mu waree dugg dugg ak bi loolu la wax loolu la doon euh, kii loolu la paa bi doon café mais ba dem ma dem ba genre sax bëgg a dépasser âge scolaire am mu soog mu soog ko dugal waaw genre moo dugal boppam école daanaka waaw dafa doon dafa doon dafa dafa bàyyiloon euh, paa bi te aussi dafa doon euh, def ay ay jàngatee te du wule ko moo tax bi mu duggee CI dafa mel ni dafa demoon ba euh, mel ni dafa dafa bëggoon raaw sax ñi mu doon dugal ñi mu dugal doon

ñëw ay si bi waaw te loolu yëpp daf ko doon euh, muñ euh, def ko doon euh, daf ko doon xam ne dafa mel ni dafa xam ne xel ne lii daal war a dama ko war a yàlla may ko mu def cycle am primaire bi am entrée en sixième très très koy orienté lycée Charles Bordeaux ko Saint-Louis te boobu amuñu kenn ko xam ne kii waa Ndiaga ñaaw euh, mën naa yore Jean Paul waaye ñu ne waaw kon loolu nu muy demee bu lii moom Jean xale bu tuuti bu dool ni oo comme une pomme ah Jean nag xale bu tuuti ah ah devait onze ans maximum douze ans bi mu demee Saint-Louis Charles de alors euh, mu def boobu cycle am aussi sans problème bi mu demee ba bu def sixième cinquième am quelques pépins parce que kiñ ko confié woon euh, suñu benn euh, mbokk mi ñu ko confié woon foofu ñu xamoon ne boobu li affecté là-bas en policier ñu affecté ko boobu Jean ñu xamoon que le seul pas bi dem ba ci kooku confié ko ko alors Jean Jean am na ay quelques jours yoo xam ne fanaan na ko ci mais benn benn professeur am bu ñuy wax euh, Fallou Sow genre wax na ko yëpp moo ko wax benn professeur am bu ñuy wax euh, Fallou Sow en professeur d' anglais je crois te dëkk fii Gueule Dakar kooku moo ko fekk eh, jël ko jël ko këram ba genre def cinq cinq quatrième troisième ah bi mu amee BFM nag ci la ci la noonu li xam ne ne lii nag non vraiment il faut mooy il faut mooy gis te boo fekk na aussi mu xaw a mur kii tuuti tane tuuti mu xaw mag xamee tuuti quoi alors mu ñëw Thiès nag euh, demandé euh, transfert Charles de euh, kii mu ñëw Malick Sy def fa seconde première terminale bac bi mu defee bac bi nag ci la ci la sentir ne te te bu def euh, le ceci euh, boobu Jean il était pré dafa mel ni il était prédestiné à être euh, journaliste. parce que Jean il aimait faire des reportages reportages yu kii nii ay kii nii. di farce nii di def ay reportage nii ah naan nangam nangam bay nañ doon imité laay yow laay jaw mii le laay jaw mi nga xam ne laay jaw le reporter euh, sportif la dañ ko doon imité bon defe naa daal foofu la commencé sentir ne am plaisir ne le plaisir de journaliste. Moi, je suis resté à Saint-Louis. Euh, nous avons eu nos bacs. Nous, avons intégré l'université. Puis, euh, nous sommes allés à l'université. Et euh, c'est là où nous avons commencé vraiment à avoir des atomes crochus, Jean et moi. nous étions amoureux des belles lettres, des belles lignes, on dirait aujourd'hui. nous avons voilà, un fol amour pour la culture, pour la densité du propos, pour l'exquise beaucoup plaisir que nous devions euh, à nos aînés euh, pour avoir euh, déblayé le terrain, pour avoir peut-être voilà, creusé les sillons. Mhm. Et l'amour aussi du métier. Nous avions vraiment un très très très grand attachement à, l'amour du métier parce que Jean, quelque part, se considéré comme un gardien du temps. je me rappelle lors de leur stage, quand il était étudiant du CESTI, ils sont venus me trouver en France avec les Amadou Diéguine les Bachir. Et à l'époque, on échangeait beaucoup. Et euh, il avait, à un moment donné, euh, hésité entre la presse écrite et la presse parlée. Et il s'en est ouvert à moi. Je lui dis que je lui conseillais en tout cas la presse écrite puisqu'avec la presse écrite, il avait sa plume, une plus grande autonomie, une plus grande indépendance par rapport à la profession. Jean, euh, euh, nous l'appelions le gardien du temple, parce que pour lui, les fondamentaux ne bougent pas. Euh, de la même façon qu'on disait à l'époque que les, montagnes ne se, rencontrent pas, nous disions à Jean, mais il faut faire évoluer le texte en, référence justement à ce texte donc, du schiste euh, qui, est intervenu dans, l'Église catholique, pour essayer quand même de regarder s'il y a une nouvelle lecture qu'on pouvait faire justement de l'avancée du christianisme. Mhm. Mais dans le journalisme également, on taquine les gens en lui disant, bon, il faut que tu bouges quand même un peu. Euh, laisse les gens introduire une, dose de, légèreté, euh, tout en restant bon, voilà, à cheval sur les principes et les règles de déontologie, mais en même temps aussi sur la construction du papier. Or, Jean, il, était, euh, il dit que si les fondamentaux bougent, le texte lui-même il bouge et la nature du texte bouge. Par conséquent, on ne respecte pas le lecteur, on ne respecte pas l'auditeur. C'était quelqu'un de très curieux d'esprit, très ouvert, très jovial comme vous l'avez connu. Hein. Mm-hmm. vraiment, c'est le genre du village qui s'est transporté, ou transplanté même, si le mot convient le mieux et le plus, euh, à Dakar. Et tout ailleurs, lui, il est allé en mission. Et je vois déjà le rôle qu'il a joué dans l'association de la presse catholique, à côté de Martin Failly. Et euh, c'est des gens qui ont marqué déjà l'histoire de la presse et la presse sénégalaise. Parce que Martin est là, on lui souhaite longue vie, qui a été toujours notre grand frère. Donc c'est un exemple. Un exemple pour les jeunes professionnels que vous êtes. Un exemple sans doute d'ailleurs pour la presse tout court. Il aimait la culture serrère et la vivait. Donc c'est cet amour-là qui s'est traduit effectivement à travers le contact fréquent qu'il a toujours, en tout cas eu avec les siens et avec le village. Parce que c'était un homme vraiment profondément euh, euh, ancré dans sa tradition. Chaque mois il venait au village. Chaque mois. il venait au village. Ah, parce que néegam bële moom bañ na ko mu def fa def lal def fa armoire bu ngeen bu ngeen pare sax mën naa leen woon néegam. donc kooku xam nga bëgg na bëgg na dëkkam fonk na dëkkam fonk na tradition fonk na ay mbokkam waaw te bu saa yu ñëwoon fii. Euh, dafa am yoo xam ne daf ko doon dundal sax te man yooyu dama ko doon euh, oyofal. Mhm. te moom daf ko doon fulal. lii di gaaw baax la woon. en ah. général ma ku baax lool mais sur ça fu mu nekkoon du ngeen wét parce que dafa doon dafa tàmmoon di ñu di tooñante gars yi quoi. surtout elle aimait porter des surnoms sur les enfants. c'était un grand farceur pour xam un... Ah, am cousin Jean c'était des grands farceurs des grands complices comme des comédiens comme des comédiens dégg nga comme des comédiens bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu ku leen romb rek ñun ñu naan ni naan dinañ wax ne kii xanaa mooy tudd diw ah xanaa kii mooy tudd diw kii daal moom nañ ko nañ ko na na tudd diw ñu daal di daal di pasante fii ah, daal di reetaan eh, daal di ko jox benn tur. ku woow moom ñu di ko woo. rieur taquin. Euh, extrêmement exquis en termes de, de, rapport. Vous savez, Jean et, moi, euh, c'est une fraternité euh, vraiment euh, presque charnelle. ils venaient chez moi sans, me demander si je suis là-bas ou non. Ils regardaient, ils venaient, ils voyaient mes enfants. Ils taquaient les Bintou, Khadija, Yuma Issé. Ils leur demandaient bon, voilà, les résultats de leurs études. Et ils fouettaient leur orgueil en disant que bon, mais il faut être à l'image de votre papa, ceci ou cela. Et en même temps aussi, Jean Lengalach c'était un rituel que Jean respectait complètement voilà, euh, la démarche cancienne. Il était à cheval justement sur les principes. L'angala, c'est quand l'heure arrivait, il sonnait à, la maison. C'est lui-même qui l'apportait. Il n'envoyait ni ses enfants, ni ses neveux, ni ses petits frères. C'est lui-même qui venait déposer justement le Et il repartait justement sur la pointe des pièces comme s'il n'était jamais venu. Ça, c'est bon, voilà, l'attachement très fraternel des gens à l'amitié. Et cette amitié, je pense que chacun d'eux

am naa jur bé béykat bu mag vraiment sant naa ko taxaw ko te du man dong la bi yëpp boole woon bëgg famille wam lu mu ñàkk ci àddina famille moo ko ñàkkal lu mu ñàkk ci àddina famille moo ko ñàkkal lu ko waxaat dëkkam fonk cosaanam fonk boppam ak milieu bu muy liggéey muy milieu journaliste ak ñi mu formé yëpp yéen formé ñu mu formé ñëpp foog naa macha allah dootuma waxate as seen place vraiment tonton amuñu fu mu tëdd yàlla na ko fa yàlla ko lu baax yàlla yàlla defaral. jamais sa jóg di sama xaritu jëkkër lu baax rek laa xam ci jamais sax bu ñëwoon sa kër gi ah reetaan lu baax rek lay def te bëgg dëkkam bëgg njobootam. bëgg bëgg mbokkam. ah moom mu wax dëgg genre moom booy seet modèle booy seet référence vraiment boo yëgul jël genre waaw man effacé bu baax yaatu vraiment genre dajale ay nga tegal waaw. ay góor rek ngay wër ba daje ci genre am nga góor waaw moom pour yóbbu moom bu ñëwee ci sax.

séparation de moi et là où Jean est sa femme est encore allée plus loin. Elle la remercie, elle s'occupe, elle la remercie elle prie pour elle. Nous les grands frères. Nous sommes des amis. On est, unis, ensemble. Garçons et filles, hommes et femmes. Chaque fois que quelqu'un la voit, il l'embrasse. Il la remercie beaucoup, il remercie beaucoup woy bi ah, woy bu baax dégg nga jaara jaay su ma xamoon sa néeg dinaa la jaara jaay su ma xamoon sa néeg ah, dinaa la wax lu nekk ci sama xol ndax jëf bu baax ndax moom que lu muy def fii sax man defuma ko mënuma ko def dafay sëy jàpp waa kër gi di xarit waa koñ fii bu mu ñëwee dafa ñëw fekk ñu fi oyof bu jaar yaay jógee Dakar ñëw fekk ñu ndax parce que man yàggumaa ñi bi buuraan ah. bu ñëwoon fii fekk ñu fi day sumee ko mel ni ñun dégg nga mel ni mosul bind école kala moom mosul yore kaye di jàng dégg nga fu ñu jaar ñu mu jaar fa oyof lu nekk lay indi nag su ko defee nag mu bëgg bu ñëwee nag day taqaloog ñun def lu ñuy def muy def lu ko raw dégg nga nekk nit ku baax nag ku bëgg ku bëgg waa yaayam jàppale ko dégg nga xam nga ne fii di mbalaxaan chaque année soo fiy indi bu nawet di bëgg a jot jaara njaay day yëkkati ay pañeke ci xam indi fii ak géejéem ah indi fii dañuy seddaatle ba seddaatle waa waa waa du yem sax si kër gi loolu nag nit ku sëy moo koy def man maa nga nii di sëy te mosuma boo jabar ji li ma mën a wax ci moom dafa bëri parce que dafa de koo xam ne aussi vraiment dafa yaatu jaari gis nga balaa boobu genre gaañoo gis nga sama papa a gaañu sama yaay gaañu jaari xam nga ni mu def

doyatu ko euh, man ko hein? def mais à ma place. Euh, est une preuve d'âme. quand euh, Jean. sans s'affaisser, sans tomber, mais était profondément atteint par la maladie, c'est Djaretou qui était à côté. Euh, Jean sentait que Djaretou était éprouvé simplement parce que lui-même était éprouvé. Euh, mais Djaretou a tenu bon. Djaretou alternait le travail et euh, le soin qu'elle apportait à son mari. donc cette brave dame a accompagné un brave homme et, je pense aussi que on disait toujours derrière un grand homme il y a une brave femme, mais je pense que aussi euh, Jean n'a jamais regretté le choix de Diarratou. Diarratou est une brave dame. Diarra nekk jàmbaar ku jàmbaar ku bëgg jëkkëram ku fonk jëkkëram fonk waa kër jëkkëram fonk njabootam fonk ñëpp ni mu mel ci waa këram mel ko ci jëkkëram mel ko ci njabootam la mel ci ñëpp jaari amul xaajal ak seen jaari xeeb bu kenn man ni mun naa ne tey ma nekk tey yàlla bi ñu nekkee ay xale ñuy ànd. daa jaar aw ma kooku daf ma uuf jàpp ma su ma ñëwee di ko tooj naan ko sama belle muy reetaan taajaar daf ma uuf taajaar daf ma uuf fu sama rongoñ tooxee ba fu ma toll nii taajaar mooy sama sama rongoñ et pourtant mënoon na ne déedéet mais taajaar oh yi allah jàpp na ma ni ma war a jàpp. ouf na ma ni ma war a uufee Liss mi am borom keur yag yalla na ko yàlla may njaboot te xam naa kenn xalaatu sey sëy bu baax Liss nako sey bu mat xata yalla may ko jëkkër bu baax ak njaboot bu barke yàlla na yàlla fay a sa famille euh, je leur dis de conserver ce legs de le perpétuer de perpétuer sa mémoire de vivre dans son souvenir à ses enfants, en tout cas, de prendre exemple sur leur père, qui fut, en tout cas, au niveau, n'est-ce pas, de son pays, un grand éducateur qui a rendu d'énormes services à son pays, qui a rendu d'énormes services à sa famille, qui a rendu d'énormes services à sa communauté. Donc de prendre exemple sur lui dans leur vie de tous les jours. Comme je l'ai dit lors de mon témoignage à l'église, je pense surtout que nous devons être rassurés. Parce que tout le monde ne peut pas se tromper sur quelqu'un. Si les témoignages sont unanimes sur sa personnalité et sur son œuvre, c'est parce qu'en réalité, il était comme ça. Et que donc, euh, avec le peu qu'il a fait ici, certainement Dieu va le récompenser. C'est en cela que nous croyons. Donc, euh, nous avons du à être fiers et l'espérance aussi est là. Nous savons qu'il est au paradis. ses pièces pour lui, ses pièces pour euh, ses parents. Euh, il, a, il a beaucoup mérité de ses parents et il me dit tout le temps. Euh, regardez, nous sommes ici peut-être bon à, à à combien de fois Jean a chanté Ndaganyao, Combien de fois Jean a chanté comme moi Joël, lui aussi, il a chanté effectivement son terroir. Je foule le, le, foule le sol et la terre donc de Ndakhat. C'est ça, Je, foule le, sol de Mbalachet. Et tout de suite, tout le monde parle. Euh, le gazouillement des oiseaux, des, crapauds, euh, les poules. Euh, derrière moi, peut-être bon, voilà, le champ de maïs. et en même temps, aussi peut-être la récolte du mil, plus les instruments aratoires. En fait, ça, c'est un environnement de gens. Il en parlait à Dakar comme si peut-être bon, on était peut-être bon derrière, voilà, en arrière, cours de, ça. Mais c'est à plus de 200 km de Dakar que je retrouve effectivement le terroir et le royaume d'enfance de gens. J'en suis très ému, mais en même temps aussi peut-être bon, j'en suis très heureux parce que euh, de là où il est, euh, sûrement il veille sur ses enfants, mais il veille aussi sur ses amis d'hommes.